C'est une zone rurale. Il y a des pathologies infectieuses qui sont là. Notamment, on a eu des cas d'hématurie qui nous font passer à la bilharziose, qui est là parce que la mer et le lac est prêt. Donc la bilharziose est suspecté, même s'il il faut des éléments biologiques et tout pour le confirmer, il y a des pathologies infectieuses Il y a les pathologies cardiovasculaires, il y a des hypertendus qui sont diagnostiqués, il y a des pathologies gynécologiques et également il y a des pathologies, disons, euh, psychosomatiques. Quand on dit psychosomatique, c'est qu'on est dans la brousse, il y a la fatigue, il y a le poids de la vie et tout ça, ça se répercute sur le corps et il y a des, ce qu'on appelle du syndrome de mal partout. Les gens ont mal partout et ils vont demander de l'aide, ils vont parce que être soutenus. Il y a aussi des parasites, surtout chez les enfants, vu que l'hivernage, il y a des maladies parasitaires qui sont là, mais aussi des maladies plus sérieuses, des maladies cardiaques où on a besoin vraiment d'écho, des malades qu'on a référés. On a eu même un cas de méningite on veut référer tout de suite là à, l'hôpital régional pour une hospitalisation et une prise en charge. Donc toute cette, journée nous permet vraiment de détecter les cas les plus simples et les plus graves. La zone du lac de Guerre qui est très enclavée du reste, avec des routes euh, non bitumées, avec une route impraticable entre Louga et, le lac de Guerre Nid qui fait presque 85 km. Pour aller à Saint-Louis voir un médecin, il faut 110 km. Pour aller à Richard il faut 85 km ou 80 km. Et tout ceci fait que pour quelqu'un qui souffre de maux de dents, euh, il est laissé à lui-même. D'où l'intérêt de rapprocher la santé aux populations. Nous avons jii dafa soxla am euh, santé de santé ndax de santé. centre de santé ndax ku ne xam na ni hôpital dafa ndax lu dem si trente mille habitants fu ñuy yeewoo war na am hôpital e kon ministère de santé noo ngi koy ñaan si hôpital yi muy def si région yi mu jàppale nu si ba ñii am hôpital ndax lu ma trente mille habitants ñu ngi yeewoo si biir ñii